ImproTV, la chaîne du renouveau.

et Diamania et ses diamants noirs, juste pour faire une émission ex, ex, extraordinaire. Donc, je vais commencer à ma droite parce que ce que femme veut, je le veux pour donner à Diamant de se présenter <laughs> devant les téléspectateurs de Impro TV. Donc, elle a un thé noir extraordinaire. Diamant, comment tu vas Je vais très bien, cher. Et la famille tout le monde va bien, bonjour les autres. Alors, bonjour à vous, bonjour, bonsoir aussi, comme vous, vous venez de dire là. Bonjour, Je suis di di euh, sargal comme d'habitude. C'est moi Diamala Fofol comme d'habitude. Je me présente tout le temps comme ça parce que j'adore être une très très très fofole, fofole de ces fofoles parce que je suis vraiment fofole quoi. <laughs> Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi Diamala Fofol? Euh, parce que parce que moi j'adore vivre. Et tout ce qui est vivre, il faut vraiment être euh, faux folle, une folle, sinon on ne peut pas vivre. Et c'est ce que j'adore. Donc à partir d'aujourd'hui, on va vivre faux folle. Effectivement. Comme elle. Yeah, <laughs> <laughs> Donc je vais passer à ma gauche euh, avec mon ami Ma foudja Donc faut pas dire Ma c'est Ma foudja mm-hmm. Bonsoir mm-hmm. mon frère. Mm-hmm. Bonsoir. Comment tu vas Je vais bien. Je suis très bien habillé. Ah, merci. Est-ce qu'on peut savoir qui t'a habillé ah, le choix est venu d'elle. Hein. <laughs> Donc, je te laisse présenter. <laughs> euh, voilà, salam alaikum, salam alaikum, Rebaro, euh, Sénégalais, Guinéen, Khamé, Katarabi, Santangle, Nyema. Nene qui a ah, Mangle oui, manglé, new. Yep, quoi. Dengle, malo, king, ma vous, voilà, donc euh, artiste, euh, voilà, me voilà, je me présente et puis ça. Ok, c'est lui King Mafouja, comme vous le voyez sur les images de Import TV. Donc euh, nous sommes là ce soir avec juste pour préparer un excellent concert 100% live. Ce sera ici à Grom 2, le 3 Inch'Allah Donc concert en manquer 100% live l'entrée est fixée à 1500 francs pour les préventes soit les 1500 euros le le jour J c'est à 2000 francs soit les 2000 francs le ah, <laughs> tout simplement <laughs> oui c'est vrai t'as parfaitement raison <laughs> euh, King pourquoi le nom King vient sur ton nom King Mafoudia pourquoi mais ben, le nom King euh, j'ai <clears throat> Bon, j'ai juste choisi, quoi. Je l'ai choisi, je me suis dit, ben, comme vous m'appelez Mafoudia, Mafoudia, mhm. dit, euh, parce que Mafoudia, c'est le nom de ma mère, mhm. je me suis dit, alors pourquoi ne pas ajouter King mhm. Être euh, pour qu'on me dise, bon, je suis le King de ma mère. King Mafoudia. Donc, euh, c'est comme ça le King est venu. C'est comme ça. voilà. Tu l'as choisi toi-même euh, moi-même, avec l'équipe aussi, qui ont, qui ont aimé ça et qui ont fait de ça rapidement un nom. Mhm. Et ça a explosé. Pourquoi King Family King Family parce que c'est pour dire que j'ai toujours commencé avec la famille. Malgré euh, que là, là, ne sont pas trop euh, distants. Il y a une distance, mhm. un, peu de, un peu de moins de communication, pas trop. Mais euh, depuis que j'ai commencé mes mouvements, je me suis dit toujours, il faut être avec famille, mhm. quel qu'on soit, même s'ils ne seront pas là-dedans, mais eux aussi, en faisant les réunions, papa peut venir, maman aussi peut venir mhm. vous donner à manger. Donc il y a là, nous sommes au salon, on discute, les gars, on crie. Après, euh, chacun peut venir donner une idée. Il mhm. dit, bon, moi, j'aurais voulu que vous faites ça, vous travaillez comme ça, vous travaillez comme ça. Donc on s'est toujours dit de se donner la main de s'appeler Family. Donc, euh, c'est une famille qui forme une famille, quoi, comme King. Comme King. Ok, c'est une famille qui forme une famille. Donc, depuis quand tu as commencé à faire de la musique euh, La musique, euh, je l'ai débutée depuis dans les bandes de 2000, entre 5-6. 2005-2006. En ce, temps, en il y avait les et autre chose qui essayaient de s'imposer sur Not Today, Don't Tell Me You, the Lie. Donc, on aimait tellement faire ce qu'on voit mm-hmm. et qu'on s'est dit, mais attends, nous qui sommes là déjà, on fait du théâtre, on danse dans les rues, on passe en criant là où on passe, on nous dit tout le temps, hey, mais qui la quoi. Eh, mais mais qui disait ça des légendes. parce que je marchais toujours avec la radio. avec une équipe. qui était là toujours prêt non non non. c'était toujours avec des danseurs. mais bon au fur et à mesure bon 2007 8 euh, c'est au niveau au fur et à mesure que la maturité vient. Mm-hmm. tu tu considères ce que tu fais tu te caches mhm. pour être au plus mûr. Mhm. Donc au fur et à mesure, euh, c'est comme ça. Jusqu'à 2009-10, j'ai commencé à faire sortir des singles. Et, et, voilà. Tu as commencé à faire des singles euh, en 2009-2010 Ici au Sénégal non, non, non, non. Au Sénégal, au Sénégal, euh, malgré que bon, j'ai ma famille ici, je venais ici au Sénégal. Mhm depuis les 95-16. oui, nous sommes à Mermoz, la grande famille. Mais à vrai dire que je viens au Sénégal avec une prise de conscience, mm-hmm. que je viens au Sénégal, que je reconnais que oui, me voilà, je sens mauvais. Mhm. C'est à l'aide de cette diamant noir là. <laughs> voilà, qui me dit King, bon, comme moi déjà tu connais, je suis originaire de ce pays. Mhm. Là, je suis là en Guinée. Donc, euh, si ça te convient, on peut faire plein de choses. J'ai dit, mais attends, on attend quoi là hey, eh, on y va. Et eh bien voilà, c'est comme ça. On est venu une fois, on est venu, on est reparti, on est venu deux fois, mhm. on est reparti. Euh, normalement, elle était venue, mais après, elle a eu un petit décès. On devrait être là pour organiser un concert mhm. et ça n'a pas trop été. Donc, euh, on s'est retourné pour mieux sauter. Donc, cette fois-ci, je suis venu. Donc, elle aussi avec sa famille en France, mhm. avec ses déplacements. Donc, moi aussi, je me suis dit, bon, d'accord, je vais superviser un peu le terrain mhm. avant que tu arrives. Peut-être on pourra faire de notre mieux. Et quand elle est venue, on a lancé le concert. Donc celui, hein, King Mafouja, donc on va passer à droite pour parler un peu avec Djama. Euh, et ses noirs. Et j'espère que... Mais t'as donné sur les diamants oui, et, tu vois, depuis, depuis je, me, lave avec le soleil, le soleil du Sénégal pour être noir, trop brillant. Mais il paraît que j'arrive. Hein. Tu arrives. J'arrive. Ça va venir. Hein. Ça va venir. Donc, euh, ça a été un plaisir d'être là avec vous ce mm. soir pour partager partagé, partagé. C'est partagé. Donc, euh, le monde de la musique nous t'appartient. Donc, euh, depuis quand tu as commencé à faire de la musique À chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait rigoler. Parce que c'est depuis toute petite. De toute façon, j'ai quitté le Sénégal depuis 1994, ce qui veut dire que j'ai commencé très tôt. Depuis 1994 Oui, j'ai quitté le Sénégal. Pour aller où Pour aller au Portugal. Ok pour travailler dans un casino. Et après le casino, je suis partie en France. Euh, je suis partie en France pour y rester parce que j'ai fait 10 ans quand même au Portugal. 10 Lisbonne, oui. <laughs> Donc, on euh, Je ne suis pas portugaise, je suis française, mais je suis sénégalaise. Parce que quel que soit le pays où je suis, j'ai toujours gardé ma nationalité sénégalaise. Ce qui veut dire que j'adore le Sénégal, j'adore mon pays mhm. et j'aime ce que je suis moi-même. Donc j'ai toujours prouvé que j'étais sénégalaise partout où je suis partie. Mhm. ben, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais oh. ben bon, fière d'être sénégalaise aussi. J'ai commencé depuis très très longtemps. Donc euh, avec, euh, avec succès, hein, parce que pourquoi Parce que je dis avec succès, parce que dès mes premiers pas dans l'art, mes premiers pas, arriver dans le, dans le milieu artistique parce que je jouais tout le temps avec l'art. Cela veut dire que je dansais par ici, par là, tout le monde rigolait. Après, j'ai commencé en 90. Mhm. J'ai commencé euh, à, danser dans un ballet qui s'appelait Ballet Rythme du Sénégal, mhm. que tout le monde connaît, vraiment avec Salvador Dramé, paix à son âme. J'ai travaillé avec euh, Pabira de Sorano aussi que tout le monde connaît. Mhm. Pikin, toi, je lui ai même dit une chanson. Mhm. Et des trucs comme ça, j'ai toujours été artiste presque, quoi. Je peux dire, Tu as commencé la musique ici au Sénégal ou bien à, à Oui, bien sûr. J'ai commencé la musique ici euh, avec, euh, <laughs> avec le monde de la musique, avec Pabi avec euh, Ouza Diallo. Oui, euh, on m'a connu d'ailleurs à travers eux. Mhm. Et je suis partie en 94. Je suis restée pas longtemps au Sénégal parce que j'étais vraiment, j'étais vraiment artiste quoi. Et tout le monde savait que j'allais pas rester ici. Ça se voit vraiment. Parce que je j'adorais ce que je faisais. Quand j'adore quelque chose, je me donne à fond. Mhm. Et tous les artistes, vraiment, tous les artistes qui me côtoyaient, qui me connaissaient, disaient non, elle, elle ne va pas rester longtemps mhm. ici. Deux ans après, j'ai eu mon diplôme de secrétariat. Je ne me suis jamais servi de ce diplôme. Pourquoi? Parce que, deux parce que deux ans après, je suis partie. Ok. <laughs> deux ans après, je suis partie. Tu es partie. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière mhm. euh, Comment vous vous connaissez entre toi et Mofuja Alors, euh, King Mofouja, bon, c'est le travail. Hein. Pourquoi je dis c'est le travail Parce que j'ai traversé pas mal de pays. J'ai traversé pas mal de pays et donc par ici, par là, jusqu'à atterrir euh, en Guinée. <laughs> tu as été en Guinée <laughs> Oui, bien sûr. J'ai passé, quatre, j'ai passé quatre ans en Guinée, ce, qui veut dire en 2014, peut-être 15. Mhm. Non, non, 2020. Euh, en 2020, 2020, 2020. 2020. 2019, 2020. 2019, 2020. Septembre 2019, ce qui veut dire que c'était juste à la fin, quoi. Mhm. Donc, euh, que j'ai atterri euh, en Guinée. Et donc, euh, je suis restée un an, un an et demi. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, mhm. parce que je l'ai vu sur scène jouer. en tant qu'artiste, moi, j'ai fait pas mal de pays. Pourquoi Parce que... Ben, c'est ma vie. C'est ta vie. C'est ma vie, c'est ma vie d'artiste. Et eh ben, à chaque fois, je vais dans un pays, ben, c'était l'art, c'était là Parce que je ne peux pas tout expliquer en détail. Ok. Mais je, faisais beaucoup de pays. Ok. Donc, tu faisais quel genre de musique ici au Sénégal et à l'extérieur Tu parlais de, la musique sénégalaise, ou bien tu, parlais de tu faisais de la musique française ou bien portugaise mhm. Quel genre de musique là-bas De toute façon, moi, je fais toute musique. J'ai fait toute musique. C'est vrai. Tu fais de la musique universelle. Oui, j'ai fait toute musique. Pourquoi je dis ça Parce que ben, si, si je dis que je fais de la rumba, je fais du ballard, je fais euh, euh, salsa, non, mais je chante sur le rythme de la salsa et des trucs comme ça. Donc, j'ai fait tout, toute musique. J'ai commencé par le, le ballet. Les lépp laay def. taasul ñu dégg jama. hey lu ngeen bëgg a taasul leen xale bi <laughs> xool leen kii mooy jama Njaay. hey eh, egsi naa ci géew bi ma egsi dafay neex a neex a neex dafay yëngu xolal.

Eh ben voilà, euh, c'est les diables qui se sont tapés d'abord. Ouais, parce que là, euh, c'est comme elle dit, elle fait déjà quelque chose qui représente l'Afrique. Et sur le plan international, c'est quelque chose qui mérite cher. Mhm. Donc euh, voilà, j'ai été invité, non pas été invité, c'est moi qui me suis dit, j'étais avec un ami là, un ami qu'on appelle euh, Fabien. Mhm. Donc, euh, on s'est dit, est-ce qu'on va pas un peu se promener, aller voir euh, le centre culturel franco-guinéen mhm. Donc on est parti et qu'elle était un peu en gérance là-bas mhm. avec le directeur. Donc c'est là-bas, bon, nous on est parti avec un petit café, il y avait un artiste qui jouait, qui faisait une prestation. Donc la pause, ils sont venus me voir. Euh, la régie avec le manager de l'artiste. Ils mhm. m'ont dit, bon, King, comme tu es là déjà, on aimerait que tu fasses un petit freestyle, un petit, un petit travail. Mhm. Donc, j'ai dit, d'accord. Euh, je suis monté, on a fait quelque chose, mhm. quelque chose juste comme ça en live de 30 secondes, euh, une minute. Après, dès que je suis descendu, j'ai vu cette voix originale qui a commencé aussi à chanter. Ok directement, je me suis retourné, j'ai regardé, j'ai dit, hé, eh, ça, il y a des voix alors qui me cognent ici. <laughs> je dis, ça, c'est pas une voix guinéenne, ça. OK. Donc, c'est ça. Après, je me suis dit, oui, salam alaikum, comment ça va Ça va bien. Ah, d'accord. Ah, c'est toi qui viens de descendre J'ai dit, oui. Ah, d'accord. Donc, euh, vraiment, j'ai un concert que je prépare mhm. ici. J'ai dit, ah bon J'ai dit, moi aussi, j'ai un clip que je prépare parce que j'étais sur la face de mon album. Mhm. Donc, je faisais une musique d'Irelele, euh, Peul. Peul. Donc, on, était, on devrait aller dans les régions pour euh, superviser un peu le terrain ou, euh, voir les repères, quoi, pour faire les clips. Mhm. Donc, je euh, j'ai dit, bon, je ne sais pas si je pourrais assister vraiment à, notre, à ton concert pour que nous fassions un featuring. Mhm. Mais ce que je peux garantir, c'est que toi, on peut bien travailler. Parce que tu as, quelque chose aussi qui est unique. Mhm. Donc, euh, j'ai pas pu assister quand même au concert, à son concert mhm. euh, de la Guinée. Mais euh, on a pu. Je suis revenu après. Après, on s'est on a travaillé, on a commencé dès, dès là-bas à contacter les différents médias, à passer dans les télés, à faire déjà un son, à essayer de faire le clip. Tout, tout, tout, tout, tout. Ok. Est-ce que tu te rappelles de, euh, votre première, euh, invitation sur les télés ou bien dans une radio Tu te rappelles ça C'était à, à quelle radio ou bien quelle télé euh, Avec Ngaï Gata. J'ai commencé. <laughs> Bon, d'accord, j'ai commencé en tant que managui. Ok. C'est comme ça parce que c'est mon terrain. C'est comme si on dit au Sénégal. Mhm. Donc, la Guinée, c'est mon terrain. Il n'y a pas de médias là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc, j'ai commencé d'abord par passer en disant que oui, j'ai un artiste sénégalaise. Mhm. qui a vraiment une voix originale et mhm. qu'on travaille ensemble. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous alliez juste la connaître quelle valeur elle a et quelle voix est là. Vous allez entendre l'Afrique parler. Donc j'ai commencé d'abord à négocier un de mes amis artistes euh, qui tape la guitare. J'ai commencé à lui dire de travailler ensemble avec lui. Mhm. Ils ont fait deux phases de répétition. Après, on a commencé à la nostalgie. Après nostalgie, euh, je l'ai mise aussi en contact avec les artistes féminines. Mhm. Donc, ils euh, elles se sont connues, et se sont pas mal côtoyées. Après, euh, on a vu un festival Mosso Musique, là, festival international. Aussi, euh, on a commencé à aller. Donc, euh, c'est des femmes qui travaillent un peu dans les différentes radios mhm. télévisées. Donc, on est parti dans Chéri FM, on est parti ensuite, on a essayé F, oui, oui, euh, Espace FM. Oui. Euh, bon, voilà, c'est pas trop facile, mais euh, bon, on a tapé quand même. On a tapé. On a tapé. Donc, on va revenir un peu en Wolof pour que aussi. bien, sûr, bien, Wolof, bien sûr. donc est-ce que combien de nous avons def trois singles. trois singles. trois singles jusqu'à quatre quoi. et après pourquoi parce que on avait choisi dañu avons trois singles quatre singles pour lancer l'album. album parce qu'au au moins nous avons fait nga xamante ne dina tax comme comme l'homme moi mooy li nga nous euh, artistique bi nga moi dox. Mhm. ñu nous deux trois. jusqu'à quatre. Mhm. léegi si loolu la ñu nekkoon. pour avant album bi quoi waaye. mais léegi quatre yi mat na wala trois yi. quatre yi mat nañ album bi. album bi moom am na dix ba douze. dix ba douze waaw te pare na titre waaw titre bu yëpp am titre. yëpp am waaw a sotti. donc euh, def nañu deux clips man ak moom. deux clips moo ci dàq ci <laughs> parce que non non non non non non non bu il a neex quoi. ñaar yëpp wax dëgg yàlla y ci benn bi moom euh, après moi euh, bu effectivement sur le. ouais c'est un noir. et après ben bi mi ngi ci mu ngi ñëw affaire waaw. ok maanaam mu ngi ñëw maa ngi ñëw. maa ngi ñëw léegi mu egg si léegi mu egg si quoi donc gars yi comme ni ñu ko déggee ah ils ont deux clips am nañ ñaari clip donc dañuy dem sànn bo seen premier clip ñoom eh, ñaar mu ngi tudd ñuul eh, maanaam teint noir bu ñu sànnee clip ba pare daal ci ñëwaat waxtaanee li nga xam moo di clip bi ngeen xool clip bi ñu tuddee ko ñuul te je pense bel et bien que bu ñu nee ñuul rek c' est purement africain c' est purement sénégalais gars yi kon ñu xool clip bi doog a ñëwaat le clip de Diama eh, et Mafoudia sur MPROD TV la chaîne de nouveau. xool ni maañu leen ngeen ni ma taaroo ak ni ma yàlla Rabbin nkasema onoma nagaina fenama nagayoenu beremama afrike I kasema nagabu nkasema nkasema nagabe nkakema onoma nagaina fenama nagayoenu beremama afrike ntumaneyi avec toi un peu mafouga Vous avez fait deux clips. Vous deux. D'abord. Qui est le meilleur clip sur toi tu sais, euh, tu sais l'artiste, l'artiste, euh, l'artiste, c'est quoi l'artiste C'est comme ce qu'elle a dit. L'artiste, c'est de la folie, tu vois. Mais il y aura toujours quelque chose qui va te prendre à cœur. Ah. tu vois. Euh, moi, ce qui est là. J'aime trop Maman Africa. J'aime trop surtout la partie là où, là où euh, la caméra va venir vers elle. Elle fait comme ça. <laughs> Oh là là, avec un fond vert, avec une végétation juste... Euh, non, j'aime la partie là. Et, non, Maman Africa, j'aime bien. Même, même la lecture du clip, mhm. Non, tu vois, elle est lourde parce qu'elle a été beaucoup travaillée. On l'a fait ici. Mhm on est parti refaire en Guinée. Mhm. Après, on a balancé les, deux images avec les backdrops pour en faire tout ça. Maintenant, euh, ce, deuxième, c'est on a remercié toutes les femmes. Parce que les femmes d'abord, c'est ce que le concert aussi dit. Mhm. Donc, euh, Là-bas, c'est un peu comédie. C'est un peu comédie. Voilà, J'ai entendu chant à la radio. Ah, ah, ah tu ah Non, non, non, non. C'est elle qui m'a tout dit d'écrire. J'ai dit, comment on dit ça Elle dit, il faut dire comme ça. et eh, si on vient m'attraper Elle dit, non, il faut dire comme ça. Ça, ça, ça, sont des plats sénégalais. Ah. Ce sont des plats sénégalais. Djeboudienne, m'a Mafé, Domoda mais mais mais. mais appris ça. mais dis quelque chose. là c'est pas parce qu'on est avec un prod ou qu'on est à l'émission. non elle prépare bien. Elle prépare, tu manges une fois, tu auras un petit problème à la maison pour manger. <laughs> Non, elle prépare. On verra bien. Ataya. Ataya. Akane. Avant, avant le 3. et puis le soir du 3. Le 3. Où sera là Soupe Pour faire le soupe. Oh. léegi suppu kañ. alors <laughs> suppu kañ <laughs> ah. donc jama donc sa waay nee da nga mën a togg ceeb eh. nee danga mën a ataaya. <laughs> non kii lekk rek lay def. moo tax waaw mais est-ce que nekkul togg rek ngay def muy def lekk rek. non non non man mënu ma dara mënu mënu ma dara ci dog damay jàng. on verra gars yi concert bi ñuy wàcc fii ci diwaanu Gorom de bi. ce sera le 3 Inch'Allah Rabbi. Hein. donc lay ci de donc ñaar ñi mhm. un concert 100 live concert bo 100 live donc ñew leen ci terrain parce que de samedi musique pour doy ambiance pour doy son et lumière pour doy war lepp bu ngeen ko gis da ngeen de samedi le 3. donc lay donc clip euh, tuddé clip bi ni Africa Africa. Africa donc pourquoi ngeen choisir le titre. Maman Africa Maman Africa, donc, euh, Simone Le Djougué, euh, parce que je suis vraiment une femme africaine. Et j'adore. Je, je, vais rester, je crois bien, comme ça. Mm-hmm. Toute ma vie, je crois bien. Ce, de toute façon, c'est ce que je ressens. C'est ce que je vais faire, de toute façon. Mm-hmm. Donc, l'autre mot, le titre, mais tout est comme Maman Africa. Mm-hmm. Après Maman Africa, donc, ça parle de, de tout ce que c'est que. Hum, vraiment noir, le teint, de conserver le, notre teint noir comme Dieu nous a créé et tout ça, ne pas changer vraiment puisque c'est très fréquent maintenant. Je mënuma wax sax léegi si jigen ñi kese ñoy xéssal même même góor ñi dañuy xéssal mhm. man lool affaire bo mo je ma njëkk jaaxal quoi. parce que légui dotul jigen ñi kese de góor ñi sax may gis góor ñi dañuy léral wa donc euh, ma xamné affaire bi dayo quoi mhm. donc c'est euh, dañu tollu nga xamné dafa ëpp quoi dafa ëpp mhm. vraiment buñu xamone vraiment suñu valeur mhm. duñu jël ben produit ko def suñu yaram mu ñuy mu yaq suñu yaram quoi déjà euh, li ci nek dafa bëri lo xamanteni lepp dara baxu ci dara yow da ngay ñak sa nga yaq sa temps après nga ah la... après bo bàyyee doto nu nga après euh, tu te rends toi-même malade yow da ngay yobé sa bopp feebar. Mhm. parce que tay ji bo amé problème nga dem hôpital ñu war la opérer affaire yoy ndeysaan. Mhm. après nga am cancer du peau ah inconvénients yi dañu bëri. dañu bëri dañu bëri trop ci xéssal ah, te est-ce que ñun xam nañ ko wala déet. donc lan nga ñu mëna may à l'instant même est-ce que vous pouvez chanter à l'instant même avec des voix naturelles. Ah sans instrument sans rien. waaw ñun ñun mom yalla yalla moy lool ñun suñu affaire yëpp mooy doon ay improvisé ay a cappella ak dugg leen fu leen neex ay fu leen neex sax ngeen way impro bu leen neex balaa maa gën a xam ne chanter ah, ah prouver que vous êtes les meilleurs chanter pour impro non mais si c'est ça donc déjà tu es à côté de nous on est les meilleurs ok chantant on chante de notre 3 août en faisant la promotion de impro qui serait là pour nous accompagner en communication n'est-ce pas ok merci donc nous sommes à l'écoute de vous chanter ce que vous voulez. D'accord. Ok. Alors, ma commencé ma baye Yo ma ma commencé ou ma baye la commencé. Yo yay tambale la man may tambale. Je vais commencer ou je vais Je te suis. Ça dépend de toi. Maman Africa. Oui. mama Africa mooy man mi Jama Njaay hey dama bëgg sama bopp man mi lee lu tax loolu laaj leen ma lu tax man de dama ñuula ñuula ñuul fonk sama der bi lee gisuma dara lu may jëral man may jël produit di ko diw ci sama der bi ba mu jaral ma man mi ma fent way wi jamale ko ci bépp xeetu nit bu ñuul muy ñun africain yàlla moo ñu bindee lii sàkk ñu may ñu loo xam ne may ko doomu Adama Njaay bul ko yàq xoolal nit bu weex bu juddoo dafay weex muy màgg daldi xonq bu deewee dafay verte muy trois couleurs ñun ñi yàlla moo ñu may suñu ñuulaay duñu changer te duñu soppeekoo boo jëlee sa produit bi def ci ko def ko ci sa yaram bi bu la neexee nga xonq léegi waaye xolo tubaab dafay weeru ci naaj bi ba yarambi bi te du ñuul hee ñun yàlla ñu binde nii kon jigéen ñee góor ñi fonk leen seen der yee ñu may lee King Mafouja Lélé, Africa, lélé, Africa, Africa, Io lélé, Africa, Africa, Africain que je suis. Regarde-la très bien parler de ce qui est réel. Toi, tu vois réellement ouais, elle est très très claire. De brillance, de noirceur, même si elle est dans le sombre. Que fais-tu à changer ta peau Que fais-tu pour être une autre personne on a l'origine d'être ce que nous sommes. Fais-toi une prise de conscience, mets-toi la valeur, donne-toi l'amour. Conjugue avec moi, prononce avec moi que tu es si fier d'être africain, africain, africain, africain, africain, africain. africain. Africaine, un des africaine. Fier d'être africaine. Bonbon ah, binerna et africaine. Talal nerna et africaine. Sonasi nerna et africaine. Tout le monde nerna. Nous sommes africaines. Hey! Africa. Eh, Africa, Africa, eh, Africa, Africa, Africa. Africa, Africa. Je suis un enfant d'Afrique. Nous sommes les enfants d'Afrique. Africains, nous sommes les bestes. Nous revenons à notre source. Voilà, merci beaucoup King Mafouja, merci beaucoup à Et Bon, c'était euh, un plaisir. Hein. donc, nice son, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Chimian Che, Gogo, Diwak Gainan, Ya Donche, Kangado, Mangle Char, Bakabaka, mon grand frère. Beginal, Baila, Mangle Contane, vous, Bakabak, Mina la voile aussi, Mokunu, ah, Kamteni, Momodia, euh, comment dire ça, ah, euh, comment il s'appelle, Paco le Pro, Samaga, Yiban, ah. Mangle, Big ou Bakabak. Bon, vous avez chanté, Maman Africa, vous avez montré à tout le monde de connaît le teint noir moom rek moo fi baax. moom rek mhm. moo existé dara jarul ñuy def la dépigmentation di changer mhm. suñu peau mhm. pour mën a am beneen peau boo xam te ni c'est pas notre peau d'origine donc pourquoi nga jël euh, euh, son son bi rek son bi rek indi ko ci xalé yi jigéen yi indi ko ci góor ñi doonte sànq yaa ngi koy wax que ni nekkatul léegi jigéen ñi rek ñoy xéssal mi particulièrement sax góor ñi léegi dañuy leer moom léegi gis nga tafa bu impro day diwu <laughs> pour am teint mais mënul am parce que teint bi am la.

suñu teint noir motax ñu jël ñu yóbbu ñu. seen teint noir. wallahi moo tax jël Sénégal yobbu leen à l'étranger. yóbbu ñu ñu liggéey Casino d'Estoril. parce que bi ngeen dem yéen ñëpp da ngeen teint noir. waaw waaw. ay noirs yu grave. ils sont venus au Sénégal dañu ñëw Sénégal uniquement pour wut ay nit yu ñuul. ok. lool motax ma génn. Mhm. kon tay bu fekkee ne waxuma si nit bu ñuul rek ñun suñu teint rek kon mooy lool quoi dafay doon loo xamante ni te on était 15 personnes on était parti ñëpp ñuul soxlawuñu kenn ku xees <laughs> après boo demee foofu ngay liggéey ak ay tubaab on était 65 personnes sur scène tubaab yeeg nit yu ñuul ñëpp a mhm. sur scène muy casino ku mhm. nekk xamna casino mhm. mais bon après euh, dañ doon tok ni chaque été <laughs> dañuy dem parce que donc fofu été dañuy dundu dundu été on est dañuy dem ci plage bi mhm. xam nga nangam nangam dem ci piscine yi exposé pour bronzer wu la affaire yoyu mhm. mais à chaque fois tubaab bi ñu may liggé sama collègues de travail yépp buñu buñu démé piscine wala ñu dem euh, plage mhm. buñu ñé ñëwee fekk ma ci ci casino bi cela veut dire que boobu 22h la ñëpp dañuy wara a fofu commencer commencé suñu show à 23 heures minuit 30 nga paré nga ranger say affaire hop tu pars ñom buñu ñëwé tuba fi yi buñu ñëwé fekk ma ci biir loge yi tout le temps dañ ma dañuy ñëw rek xol ma mais dañuy ñëw rek yux mais jama c'est pas vrai du dëgg li do je dis ma lu tax lool loolu la après ñu né non si suba ba tey ñoo ngi ci naaj bi mais mënuñu fexe ba am li certain quoi <laughs> ben après ouais uh-huh. parce que dañu bëgg bronzer ou noircir un peu mm-hmm pour avoir donc euh, comme nous ñuy wax fële euh, couleur bu mat. ndaysan malheureusement après bu ko defee dama len damay reetaan ñaawal len mané mhm. len li pour ngeen am ko il faut ngeen dellu ba Sénégal judd fofu ba paré <laughs> ngeen <laughs> donc ce qui veut dire que j'étais j'étais fière. J'ai toujours été fière d'être une femme noire, mhm. africaine, machallah. ça se voit qu'elle est toujours une femme noire africaine et vous avez vu bi nga venir mais mhm. pour le concert du toit, Inch'Allah, mhm. c'est votre premier concert au Sénégal ou bien. oui normalement. c'est votre premier concert au Sénégal. normalement. pourquoi vous l'avez choisi vous avez choisi le département de Rufisque particulièrement la communauté Bambino ici à Goromde pour faire ce concert 100% live Parce que d'abord, la première des choses, c'est là que je me suis vu. Et je suis très fier de me retrouver euh, dans la commune de Bambilor, Saint-Galcam, mhm. et plus particulièrement euh, à Gorom chez, chez Donc, euh, oui. Mhm. Donc, j'ai vu sur les affiches que vous avez mis, les femmes d'abord en coopération sénégalais, guinée mhm. Pourquoi vous avez, fait ce thème-là sur, sur les affiches euh, les femmes d'abord. Oui. Les femmes d'abord. Regarde-moi dans les yeux si On je confirme. Les femmes d'abord. <laughs> C'est confirmé. <laughs> les femmes d'abord. OK. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire, c'est les femmes d'abord. OK. Hein? Même si on veut aller au marché, c'est les femmes d'abord. On veut dormir, c'est les femmes d'abord. On veut marcher, c'est les femmes d'abord. Tu vois, ah, Même celle qui est derrière la caméra, elle descend avec sa main, les femmes d'abord. <laughs> Eh, tu sais, on oublie quelque chose. OK. Elles sont elles vont toujours être remerciées. Parce que moi, je me dis, c'est la seule force qui peut accompagner une personne euh, quand, tu, quand tu es un peu loin de ta famille ou quand tu es un peu... Il faut donner la priorité à ceux qui peuvent représenter ta mère, mhm. ceux qui peuvent représenter ta grand-mère, ceux qui peuvent représenter tes soeurs. Parce que nous voyons que les femmes, elles ont une manière, elles, ont une grande potentialité de contribution sur le plan. Mhm. Euh, d'après ce qu'on a remarqué, sur le plan sanitaire, environnemental. Mhm. Parce qu'on voit souvent les femmes travailler dans les rues chaque matin avec, avec l'entreprise de son agent UCG. Mhm. Donc, eux qui font tout le temps le balayage du matin, là, n'est c'est pas parce qu'on leur dépasse. Non. Moi, par exemple, je suis là, mais j'ai juste dit à Diamant un jour, je dis Diamant, vraiment, moi, ces femmes-là, je veux être parmi eux. Je veux être bénévolat de, de travailler à les aider à faire l'assainissement. Donc, c'est là-bas tout a commencé. Et elle aussi, déjà, comme vous savez, elle a toujours appuyé les idées, mhm. les bonnes idées, pour euh, aller de plus en avant. Mhm. Donc, j'ai vu qu'elle aussi, elle est trop aimée ici. Mhm. Surtout, quiconque la voit, on l'appelle Maman Africa. En Guinée, c'est Maman Africa, Maman Africa. Donc, on a dit, bon, les femmes d'abord. La priorité, c'est de toujours les remercier et les faire comprendre que ouais, nous sommes là pour eux. Mhm. Et c'est pourquoi la première édition a commencé euh, avec ça, mhm. la coopération guinéo-sénégalaise. Ok, c'est bon. Hein. Donc, au donc le premier concert que j'ai fait au ci Sénégal ngeen choisir euh, Gorom euh, ci nga département de Rufisque comme nous, Bambilor donc ci am mooy sa fief moom tamit fi leen ko fek ngeen choisir donc les femmes d'abord, mu nek lo expliquer ne eh, donc est ce que meun nga ñëwaat tout rek euh, sur ce que vous avez lañ xaar sur le 3 ci concert bi nga xam moom la ci alors le 3 de toute façon il ñëpp a ngi len ci wo bayiwuma kenn pourquoi pourquoi on a choisi ici. Gorom 2 parce que d'abord pour commencer fii lañ dëkk. Mm-hmm. mais idée bu tax ñu def ko dañu bëgg Gorom de xamné ne am nañu quelque chose chez eux. Mm-hmm. amna lo xamanteni xamante ni ko lo xamanteni duma du wax ne kenn amu ko dé mm-hmm. mais ah dinañ seetaat. sét seetaat non non non non non non. non non non c'est vrai ça je le dis. c'est vrai 100% africain. parce que oui parce que l'année moo parce que man gorom 2 parce que n'y pas pas ma de. mais parce que je suis une fois deux fois place bi à ak. Mhm. mais ça un concert euh, fille gorom 2 donc ça sera pour une première. avec qui. non non non non parce que <laughs> oui. nar <laughs> mais lu ngeen nekk le 3. non non dañuy wàccee. fii nii waaw dañ koy wàccee. gorom 2 dinañ xam lan la ñu xam lan la ñu am ñoom ci seen gox ñoom. si commune bi quoi mais pour loolu il faut que ñu ñëw ñëpp teew ñu xam lan la. Mhm. lan lañ fi am d' abord. parce que lu may dem di def ci àll bi ma def ko fu ma dëkk moo gën a neex. waa ñëpp xam ko du noonu. waa ah, kay. d'accord loolu moo tax loo xam te ni le 3 la incha allah rabbi fii ci euh, Gorom 2 ci terrain basket bi 100% live la donc pourquoi ngeen choisir def benn concert 100% live. Euh, comme ni euh, parce que à chaque fois bu ñu bu ñuy woot bu ñu may laaj lan lay wax parce que man man boog Jama Ndiaye ma jouer en live moo ma gënal fuuf may def playback. pourquoi parce que je me sens plus artiste <laughs> parce que d'où donner quoi à tout le monde. ok ouais c'est ça c'est ça le problème mais mais je peux dire hein, parce que des fois tu xam nga des fois nga am ben inconvénient bon à maintenir moi am les des musiciens yu nga xamante ne ñom ñolay accompagner. parce que ne mën na causer problème que nit ki tam playback mais playback Ouais, je ne vais pas dire que c'est pas professionnel <laughs> mais dafay loo xamante ni que ne comme léegi yow ngay jouer sa album ou ngay jouer un son. Mhm. par exemple quoi juste exemple y aurait que tu es à l'aise tu n'es pas à l'aise pourquoi parce que yow li ngay travailler li ngay wax trois minutes donc yow tu ne vas pas dépasser trois minutes. Mhm. te nit ki buñ ko les musique si tu as des musiciens devant toi ou bien derrière toi ça mhm. dépend mhm. war nga wane ne yow artiste nga mooy le jouer en live tu travailles avec des artistes tu montres que tu es artiste Il y a des en direct direct y a des inconvénients aussi mais aussi moi je préfère être sur scène wan nit man may kan et en live rek la ko munee Wow. ok parce que playback, c'est deux minutes, tu, si tu t'arrêtes à deux minutes. Le son est à quatre minutes, tu t'arrêtes à, quatre minutes. Et ça, pour moi, c'est pas, c'est pas vivre. C'est pas vivre sur scène. Tu il faut que nous hein. live là. Hein. Donc, on a une gars live, Inch'Allah, 100% Fiji, Douane, ce sera ce samedi, Inch'Allah, à partir de 20h, de L'Union, un ticket. Donc, et eh, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut entendre le 3, Inch'Allah, avec Mafouja, 100% concert en live. <laughs> on, va, on, va, on va donner un peu la surprise. Pour, pour, les femmes de Gorom 1, Gorom 2, Bayard. Gorom 3. Euh, Gorom, non, il n'y a pas 3. non, il n'y a, pas 3. Ah, il y a 3. Il y a 3. Ah, à Gorom 3, Bayard. À Gorom 3 ah, C'est à partir de là, non Den, ah, ah, surtout. Ah, J'ai entendu parler de Den et surtout, il faut beaucoup assurer aussi la promotion de Den. Inch'Allah, on va faire du carnaval pour pour aller là-bas. Maman Africa. Wa Kër Ndiaylo. Waouh, Jigène Afrique, Jigène <laughs> Sénégal. La voix là, on veut entendre ça. On va faire un featuring. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tchoum. Yéen jigéenu Sénégal, maa leen di nuyoo ni jigéenu Guinée. man maa leen di nuyoo nii jigéenu Mali man maa leen di nuyoo nii jigéenu Gambia Jama Njaay leen di sargale cumbaay man bu ma demee ba leen di way da ko yelloo Jaman njaay bu demee ba leen di way da ngeen ko yellool ndax jigéen ñaa ngi ci kër ga jigéen ñaa ngi ci biro yi jigéen ñaa ngi ci marché ba jigéen ñaa ngi jaay jigéen ñaa ngi yéen waa gorom 3 maa leen di sargale eh, eh, eh, yéen waa gorom de man maa leen di sargale jigéenu gorom ah jaman njaay leen di nuyoo nii jigéenu bayaax bambilo sangal kam yéen ñëpp jama ñaay leen di nuyoo waay damaa xam ne bu ma yuuxoo du baax kaas bi day wàcc <laughs> moo ma wàcce sama baat bul yuuxoo ba nga xamante ne fii laa fii laa yamale non boo yuuxoo du baax déglu leen ma wooy déglu leen oh. yéen gorom doo jama njaay leen di nuyoo waay ay waay jigéen gorom ah jama njaay leen di sargale gorom trois xaw ma ko woon man dinaa ñëw ci yéen ay way saba sembe na wotana ni ro ro ro ala talabara pawa sawta menge ma Mama, mama, Brancali, Sénégalaise, Guinée, Fatasséinde, du Sénégal, Menyomana Toga, hey, Flash Lala, Supukanja, Windy Sun, Domadan, Windy Sun, Suluru, Tchepunyebe, ey waay ndeysaan jigéenu Sénégal ñëw leen fecc ay waay lëmbël lëmbël lëmbël lëmbël lëmbël lëmbël lëmbël lëmbël haa merci beaucoup King Babou Diarra yow da ngaa suus suus kan mooy suus le 3 août la yow saas saas dañuy suus le 3 kay leen suus suus <laughs> ñëw leen saas saas ay waay ndeysaan jaman jaay King Mafoudia gorom de dañuy suus suus sasa kay leen waaw la c'est le King Mafoudia et Diama Ndiaye hein, le gars yi bu leen ko tardé hein, un concert 100 live hein, le 3 incha allah bi à Gorom 2 ñu leen ciy kontaan bu baax a baax di leen ci woo yéen ñëpp ah ñun ñëpp ñu accompagner Diama accompagner Mafoudia donc ci concert bi nga xam ne moom la ñuy teg fii ci commune bu Bambilor teg ci commune bu Sangalkam teg ko ci département de Rufisque mu war a un concert 100 euh, live y a du chant de l'espectacle donc ñëw leen ah y a pas mal de surprises yoo xam te ñu fi y a des artistes aussi invité nek ci commune bi Bambilor nek ci commune bi Sangalkam nek dans le département de Rufisque des rappeurs hein yi nga xam ne def mbalax maan di bongoman donc ñëpp nga ci ah donc gis ngeen surprise bu len defal ni sànq ah. mm. donc way jigenu commune Bambilor way jigéenu commune Sangalkam way jigenu tuddu jandeer yëpp donc c'est bel et bien possible donc jama mm-hmm. nan fan lañ mëna amé ticket yi euh, ticket euh, en plus euh, on a bien écoulé hein, <laughs> les tickets c'était parce que non vraiment non non effectivement on a bien écoulé les choses mais comme wax rek d'où pour conserver, mhm. d'où pour euh, dañuy ñëw pour def concert boo xamante ne dañ koy privat privatiser ou pas loolu moo tax ñu def billet yi mille 2000 francs le jour J pourquoi dañu bëgg nit ñi d'abord ñëw découvrir ce que c'est Diama Ndiaye et King Mafuja. tu vois donc euh, loolu moo tax mais euh, billet yi bu ngeen bu ngeen ma woowee mun ngeen mun ngeen ko am bu ngeen woowee King Mafia mun ngeen ko am. Mprod Mprod aussi macha allah. aha mi ngeex moom. aussi Mprod ku bu ku woo waa Mprod waa Mprod aussi mun nañ la fournir léegi. ou Gise Ndiaye waaw. 76 606 33 90 Mprod TV. 76 606 33 80 90. ngeen mën a am seen billet avant samedi ndax li ci def ci billet yi bareetul. Mhm. maximum ay 15 28 billets moo mhm. moom lu mu gàtt gàtt war naa jël ay 250 000 donc war na war a maa nekk Papa Ndiaye day jël ah may tamane day day jël boo demee diwaanu ñàgg ñoom jël nañ bu yàgg ah, nga dem mhm. diwaanu kunum jël nañ bu yàgg nga ñëw jandeer dañuy jël bu yàgg donc billets yi woote leen ci 606 33 90 sur Impro la chaîne du renouveau Nous, ni fa ngeen ou bien 77. 439 45 54. répète encore. 77. 439. 45, 45. 54. Alors, Mafia, donne aussi un numéro, <laughs> ce qui, est qui sera ton numéro. Eh, les <laughs> Sénégal, hey, eh, ouais, Sénégal, hey, eh, ouais, mais je vous promets, je vous promets qu'avant le concert, j'enregistre mes trois numéros. Ok. Voilà. Donc, <laughs> restez à l'écoute. Nous travaillons ensemble. Euh, je sais que c'est vous qui devrez nous

l' équipe de Impro TV sera là yéen tamit yéen nga fay nekk donc yéen ñi nga xam te ne aussi du ngeen mën a ngeen nekk Chine Hong-Kong wala Guinée Bissau xaar leen kat en direct ah mhm. sur Impro TV la chaîne du rendez donc lépp la leen wan dina leen wan dugg si bi dina leen wan li nga xam te ne leen wan li nga xam te ne ñëw na dina leen wan ñëpp ñi nga xam les invités surprise ñëpp dina leen wan mhm, mhm. di ngeen gis sañse yi nga xam te quoi. <laughs> donc le mot de la fin. mot de la fin je vous kiffe merci beaucoup cher merci beaucoup Tafa merci beaucoup ma chère merci beaucoup à vous tous ah. Hein. Mprod mhm. maa du leen di fóon je vous embrasse très très très fort. alors di warnetamé à tamit xam nga merci beaucoup Boudou du woon ak yéen du donc euh, di ñaan Yalla, Yalla yokk leen ba di ñaan Yalla aussi Yalla may leen dooleel len. xam nga lu ngeen jàpp mu dëgër mu sax si barke Seydina Mohamed waa Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu Jama Ndiaye laa foofal et encore là. Mm-hmm. waa Bambilor comme Gorom 2.

pourquoi amul parrain wala marraine. si bien sûr amna parrain amna marraine pourquoi parce que comme lu may wax rek des fois man mm, samay ki ñëpp ay marraine lañu ñëpp ay parrain lañu. mais c'est monsieur Ndiagne Diop qui est le parrain de la soirée. Okay. et euh, et mamie Seck. qui est la marraine. Okay. mais comme euh, euh, li may wax rek tout le temps man samay wax da fay xawa ki moy né parce que ñun ñop jigen ñi lañ ko jagalel donc kon képp kuy jigéen Sénégal xam nga jagleel nañ la ko léegi bu ñu ko ciyee parce que dañu dama dañu yëkkati fii gorom deux. Mhm. parce que y a toujours des exceptions ah. boo waxee rek ñu ne ah c'est la lionne je dis ah bon d'accord je vais donner ça à la lionne puisque moi je suis une lionne. tu vois donc loolu moo tax kay elle est elle est la marraine. Euh, de la soirée et Ndiaye Diop <laughs> euh, est le parrain. effectivement c'est ça mami waay mami mami loolu da ciy am solo donc Mafouja quel est le mot de la fin. Le mot de la fin est que amutambele besin sare championima championima neve gondunara mubele besari bambilorima bambilor ki neve bigopuma king mafuda jamanjai pawana ma nere mularara rali yamimi maso fayananda ndoroma domere yamutuma nere ma colomisara makolomisara eyo oh, boy birel dayadafya <laughs> kaifi reglel reglel reglel yɛm famili kina ta wɔ yɛm fɛ yɛ mɔmu kana ma Nous we nu sɛm bɛ yɛn di taga na na so mi yira muwama birin to fe wama birin fe muwama birin to eh, fe sɔnɔ yɛn di taga tɔa o te phare, Orano phare, aux femmes, aux femmes, Gorom 2, le 3 août, le 3 août, Munungi Diamandiaï, e Pawanantan Sam, Family Kino Follow son homme à Magbilema. B, B. Amofu mater nondinara. Ah, <laughs> ah tafa fam. Still nama. Oh na I'm a power nama. Alisembe, ah, ah, alisembe, alisembe nifeso. Du me you do di emu toma wafa lebe life not to follow ma. No mo lebe son no yum ntana brama. Monsieur le maire big up man jai job fa na tuara. Una fele be mami shake me, minde. They don't mean de. Family kiminde, mama mami bintu fandominde. Ah, mam nyanga yahminde, family kina fala mama fe. amuna power power power, not to suffer du medie ire rano imaso demna. Merci beaucoup à toi, Mapouja. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Ouais, merci, Adjama. Beaucoup à merci beaucoup à, à toute l'équipe de Impro TV. Merci beaucoup, Yen Kham Yen à travers Impro la chaîne du renouveau vous gars yi rendez-vous inchallah le 3 futur terrain basket ball euh, Gorom 2 l'entrée est fixée à 1500 wax a la boo donc le jour J n'a pas ah, préventé yi 1500 wala ñetti le jour J l'entrée est fixée à 2000 francs on a amu temer defal donc y a des artistes invités comme ki nga xam te ne Mina voile, elle sera là donc nga xam depuis euh, eh, hein, il sera là donc Escarface, il sera là Yatanza il sera là alias Buri il sera là Mediator rappel vous bi nga pompe 100 francs la ak pompe 200 aussi il sera là Mediator Rasta il sera là Baba Sec il Salara moom tamit Laya borom gitaar gi nay nice nay baax moom tamit mu ngi suñu biir moom tamit ah ak ki nga xam te ne moo di ah, ou bien Jaxite donc moom tamit ah il Salara parmi les invités ah, ci jour boobu nga xam mooy le trois, inshallah allah rabi bu leen ko kenn tardé ñu ñëw ñu ambiance ñu soo ñu suus fii saas fee lépp neex gaay sur impro TV la chaîne di renouveau ak King Mafuja, et Jama le les trois gaay à ne pas rater jaa ngeen ImproTV, la chaîne du renouveau.